le directeur, mes collègues, mesdames, bonsoir. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné vie en ce jour solennel pour fêter en l'instar des autres entreprises la fête du travail. Nous commencerons nos propos en signifiant au PCA notre reconnaissance pour son engagement à la création d'emplois au Sénégal. Au moment ou d'autres fils du pays se laissent prendre à l'appât au gain des paradis fiscaux et des placements à l'étranger. Le PCA croit à la jeunesse et son potentiel. Laissez-moi vous dire combien nous sommes fiers d'avoir un PDG qui intègre le patriotisme économique. Cela fait défaut et plombe le développement de bon nombre de nos pays en Afrique. Ceci dit, nous ne manquerons pas à notre devoir de ne pas vous transmettre les revendicatives légitimes pour ceux qui, ont délégué qui nous ont délégué leur voix. Cher directeur, nous sommes conscients de tous les efforts consentis pour l'amélioration des conditions de travail. Mais les statistiques observés sur certains points que nous évoquerons nous inquiète tous, tels que la situation des prestataires qui se donnent corps depuis des années pour certains d'entre eux. Nous pensons que leur embauchement ne serait qu'une contribution efficace à l'émergence de notre entreprise. Sans oublier le besoin présent d'avoir une coopérative d'habitat fiable. Nous nous vous signifions l'anxiété d'avoir un toit qui hante le sommeil du personnel. Vous savez toujours que le PCA a soutenu le personnel dans ses projets sociaux. Nous vous demandons solennellement de nous appuyer davantage pour la réussite de ce programme immobilier. Aujourd'hui, nous voulons voir le jour la cité GFM. Nous disons aussi que nous gardons espoir que vous allez y remédier. Nous souhaiterons aussi une meilleure collaboration, le respect des engagements pris pour éviter tout amalgame, comme c'est le cas du paiement du 13e mois. Le bouleversement des modalités de paiement du 13e mois qui, par consensus, était versé au retour des congés, chose qui était approuvée par le plus grand nombre du personnel. Mais cette à notre grande surprise, une partie a été avancée à la fin du mois de mars 2015 sans concertation aucune au préalable avec les concernés. Nous souhaitons, cher directeur, nous souhaitons à l'avenir que le personnel soit impliqué davantage dans toute décision prise les concernant. À cela s'ajoutent les problèmes de matériel pour le bon déroulement de notre travail. L'État a noté que les matériels de certaines rédactions sont festus. Certains parlent même des caméras qui se passent parfois en plein reportage. D'un manque d'appareils photo pour le journal L'Observateur qui court, court depuis des années et ça faciliterait le travail sur le terrain ou encore de voitures de reportage pour le site IGF. pour en citer que cela. Eu égard aux résultats obtenus, j'ai fait premier partout, il nous paraît incompréhensible qu'on ait des problèmes de matériel. Je ne saurais terminer sans saluer cette bonne initiative du PCA, qui est la création de l'IPM-GFM, que nous allons sortir de terre, auquel nous avons foi qu'elle réglera tous nos problèmes liés au domaine médical. C'est hyper que nous saluons pour même prendre en charge les prestataires. Merci de prendre nos préoccupations à bras le corps pour un cadre de travail apaisé et une entreprise plus performante. vais agréer, monsieur, mesdames, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, chers collègues, l'expression de mes salutations les plus distinguées Bonne fête de travail à toutes et à tous. Vive le groupe Futur Maya. Aujourd'hui, tout le personnel est inquiet. Tout le monde veut avoir un droit. Comme je l'ai dit tantôt, nous souhaiterons que la, cité GFM, comme l'ont d'autres cités Soleil, cité sonatelles et autres, que la cité GFM, un emploi, un doit avoir le jour. parce que comme ni ñu koy waxee nit loo liggéey liggéey liggéey liggéey te amoo kër xamul coono wàccagul la ñu leen ñaan ngeen jàppale ngeen jàppale employé si projet boobu coopérative bi taxawaat na promoteur yi ñu ngi ñëw ñu ngi proposer ay propositions yu intéressantes ñu leen demande ngeen rencontrer nous rencontrer le bureau élargi de la coopérative qui a été initié même si malheureusement a connu un blocage mais démarrer dans ces activités connaître les bonnes âmes, ce am vous kër de dëkk ndax ku nekk xam location nous mu mel situation que vous vivez. et j'aimerais aussi dire aux mes amis chers collègues l'IPR est là c'est géré par le personnel de grâce arrêtez les amis merci.